classe. Et toi, tu t'es remarqué à chaque fois, tu dis, bon, en talent. Fort. Pardon, monsieur. C'est pas non Mets-toi à Mets-toi à Donc, on est ici, c'est pas pour blaguer. On est ici pour apprendre, tu as dit, à l'école, en chaque jour, tu t'es remarqué. Bon. Donc, tu as dit, tu as Tu dis tu ne peux pas Oui, Bon, tu, discutes avec moi, là tu as moyen 10. Moyen Tu t'appelles euh, qui Bon, tu as moyen dire. quoi Tu as moyen Bon, à ta place, tu